salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi Serigne Saliou Mbaye nekk le président du mouvement des ouvriers du Sénégal lan moo ñu indi tey fii ñu dajaloo euh, si premier mai bi lañ ñëw en tant qu'artisan, en tant qu'ouvrier, ouvrier ñëw ngir exposer suñuy jafe-jafe mais cette fois ci c'est si beneen fan. Euh, boo leen xoolee si suba def nañu convoi bu jëm euh, dem au niveau au niveau de l'antenne départementale. Euh, daje faak suñuy ay njit waxtan aussi tamit fekkee ben cérémonie buñu invité won bañ fa joggé ñu ngi doog ñew MGS ren mu né da fay taxaw defal luma ma mburu téeméeri chandis ak la ci dem ak lay joxé ko distribuer ko au niveau euh, du rond point Seigne Moutala jusqu'à la ba case donc lolu moñu fi dajalé tay donc ñew nañ fi déjà ngir képp ku xam ouvrier xamné xam ouvrier ci jafé jafé rek lañuy ñuy dund ñoo gëna sonu Sénégal

boo xoolee MGS dafa en fait dafa ñëw pour créer des ouvriers de type nouveau donc jafe-jafe yooyu si yooyu le bëgg le bëgg di avancer di ko si suñu njiiti ñuy xam lan mooy jafe-jafe artisan. donc jafe-jafe yi bokk na si tey boo xoolee fii ñi fi nekk vieux yu bëri amuñu IPRES amuñu caisse de sécurité sociale bu ñu feebaree pour ñu faju problème la ñenn ñi ñu ngi leen ñuy yëkkati seen place te teguñu ko fenn ci lu dul yoon ndax ay citoyens sénégalais lañu kenn amul droit yëkkati len te joxoo leen fu ñu donc ñu bëri mag ñu bëri fi retraite nous retraité amuñu euh, du pension nous fu ñuy jëlee xaalis ñëw ci atelier yi ut 1000 francs wala dara yobut seen kër donc yoy dañu wara xol il faut que système bi mu changer. système bi ñu koy artisans yi ñu xam nous jafé artisans yi ñëw seen biir ba paré déterminer ñan artisans yi parce que lolu lu am solo la ñu ngi gis kurel gu nekk mais il faut ñu xam ñan artisans yi ah ñan ñoy parce que ku

moy suñu président mom lañu fal mom lañu bëgg xamal né carrément ñi nga xamante ne ñu lay yónni ñuy ñëw ci ñun ak di dem fenen yexé si wuñu ci ñun ñun ñoy les artisans ñun ñoy ouvriers té bo ñëwon ci si MGS mu génne la 5000 ouvriers bo ñëwon ci mu génne la 5000 à 7000 ouvriers si suñu base de données yo xamné jité jiite nañ leen ñun ñii tey te ñooñu ñëpp ay artisans lañu ay responsables ay kilifa xolal fi ñu fi taxaw ñëpp ay kilifa lañu. non en fait en fait mouvement des ouvriers corps de métier bi la jël.

après nous avons des ne sur ñaata jeunes yoo xam ñu ngi leen financé nangami jeunes ñooy réussir mais xoolal ñaata jeunes qui ñuy financé ak ak tout bi nu mu si nous avons réussi, réussir mais nous, ku leen financé dañoo gëm seen réew moo tax ñu toog fii ñoom ñoo avons ci géej gi. en fait euh, nous sommes Serigne Saliou Mbaye président du mouvement des ouvriers du Sénégal nous sommes venus ici aujourd'hui pour célébrer euh, le 1er mai qui est une fête du travail marquant l'anniversaire euh, des travailleurs. Donc euh, nous sommes venus tout juste pour faire une geste de solidarité, donner aux pensants des ndogu, etc. Et aussi nous avons, nous avons mené une activité ce matin. Nous sommes allés au niveau de l'antenne départementale de Guédiouaï, là où il y a des artisans. Nous avons échangé avec, euh, nous, avons échangé avec nos différentes autorités et aussi, et aussi nous, avons, nous avons organisé une conférence religieuse au niveau, au niveau de Guédiouaï. nous étions venus donc, nous sommes là tout juste pour montrer à nos autorités que nous sommes des gens qui se disent que nous refusons d'aller en Europe. Nous, refusons de prendre la mer. Donc, nous sommes, nous sommes restés au Sénégal. Donc, nous sommes venus ici aussi pour, pour, pour les faire savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que ce sont des artisans. Ce ne sont pas des artisans. Ce ne sont pas des ouvriers. Nous ne sommes pas considérés dans ce pays. Beaucoup d'aide ne vient pas au niveau des artisans. On ne sait pas là où ça part, mais on, ne le voit pas, nous, les artisans. Oui, déjà, déjà nous pouvons dire que c'est excellent quand, il parle de l'emploi des jeunes. Parce qu'ici au Sénégal, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes chômeurs. Il faut aller dans les quartiers. Les chômeurs sont partout ici au Sénégal. Nous saluons ce geste. C'est un geste noble. Mais déjà, mais aussi, aussi, aussi, aussi, aussi il faut que notre président de la République son excellent monsieur Macky il faut qu'il vienne là où il faut il faut il faut il faut qu'il il faut qu'il revoie cette politique. Les gens les gens qui sont qui sont qui sont à côté de lui, à qui on donne certaines, opportunités pour parler aux artisans. En fait, ils ne viennent pas vers nous. Ils ne connaissent même pas qui sont les artisans. Déjà, il faut qu'il ait un cible. Pour les sessions, tu vois, vous voyez ici, tout cela, ce sont des jeunes, moins de 40 ans. Mais ils refusent d'aller en Europe. Ils refusent de prendre la mer. Ils sont là parce qu'ils croient au pays. Vous voyez notre slogan MGS Gumsereo. Donc c'est ça. Nous, avons déjà de, de, nous, avons déjà de l'emploi. Oui. en ah, fait. nous euh, avons déjà de l'emploi. Effectivement, nous avons déjà des emplois. Pour nous financer, c'est facile. pour euh, euh, pour nous, pour nous accompagner, c'est facile. Nous ne voulons pas qu'ils nous, nous financent après qu'on s'en Nous voulons un accompagnement des artisans. Nous voulons que le président de la République détermine les zones industrielles. Hmm. Mais les gens sont fatigués, ils sont là, on les déguerpille partout ici au Sénégal. Les mécaniciens sont partout sont ah hein? partout. Donc nous voulons qu'ils viennent nous accompagner. Ici, vous voyez, il n'y a que des vieux. Ils n'ont pas de lipresse. Ils n'ont pas de caisse de sécurité sociale. Ils n'ont ils, même pas au niveau des mutuelles de santé. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire demain Ils ont des enfants, ils ont des familles. Mais il faut, il faut qu'ils voient, il faut, il faut voient leur politique, cette politique. Franchement, ouais, effectivement, effectivement, il faut qu'ils revoient leur politique. Ouais. franchement, franchement, il faut qu'ils revoient leur. Merci. en fait, je me nomme M. Serine Salé président du mouvement des ouvriers du Sénégal gëm